yo un vigile, et eh bien un vigile de la Sédima grièvement blessé, mais blessé dans leur amour propre. Les populations de Ndengeler semblent l'être au regard des informations à lire dans Libération. Le journal, en tout cas, affiche les propos de Abdoulaye Yodne... après les affrontements à Ndengeler hier, à savoir, nous ne céderons jamais, au grand jamais, nos terres. Donc, tirer à terre, c'est ce que font, en tout cas, ceux qui essayent de tenter le diable à Ndengeler, si on en croit justement Libération. Le journal de souligner d'autres propos Abdoulaye John, à savoir le jeune Ibrahima Sen a reçu des coups de barre de fer sur la tête. Il a été même évacué. Les agents de Babacar Ngom avaient confisqué, et eh bien confisqué son matériel. Matériellement parlant, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout, du tout bon. D'après Libération, le journal, en tout cas, renseigne que selon toujours Abdoulaye John, que cela soit clair, nous ne voulons l'argent de personne. Tout ce qu'on veut, ce sont nos terres. diggante ñoo yor wàllum sécurité sédiment googe eh, ak béykat ya looloo tax ba chef de village ba day daal dinay woote tey jile réunion moom chef de village ba Ablaye John ci libération yéen kaay waaw nee na suñu suuf si duñu ko bàyyi day te duñu ko joxe ëllëg nag laa la wax xoolal leen ma gone gile di Ibrahima Sène ca digg bopp lañ ko gaañ yóbbu ko ca l'hôpital wandenge tey la ñu gën a dogu ñu ne ci xeex ñoom ngir sàmm seen suuf ci libération góor gi Ablaye John ne duñu baax kenn muy jël seen suuf ci xeexoo yi nag diggante ñenn ci waa dëkk ba ak gardien sédiment yi am na ca ndaw lu ami gaañu nañu ko dóor ñu rawale yóbbu hôpital góor gi Abdoulaye Dione di leeral ci yéenikaay bi ne amunu benn jafe-jafe nag ak waa Jilax mu ne Sénégal Afrique gépp xam nañ ni kenn benn nit rek lañu amal problème mooy Babacar Ngom ak biir yéene kaabidi libération chef de village bu Ndengeleer yéggee na ca góomu xolam ne xel xalaatul ba seen suuf sa ne jotewuñoo ak waa Jilax ne kenn dong la joteel di Babacar Ngom mi akimoo seen suuf sa